Écoutez, Smart City, c'est euh, une filiale de Parkeon Flowboard qui est présente dans 4800 villes dans le monde. On s'occupe du stationnement de New York, de Paris, mais aussi euh, d'Arabie Saoudite et du Qatar. Donc, euh, on est une société, on est, on est présent depuis 2017. C'est pas, on a mené des ordinateurs et ces ordinateurs euh, sont, on est en PPP avec les collectivités qui sont placés dans les collectivités et nos équipes sont formées. On a à peu près 100 euh, aujourd'hui employés directs qui sont dans la société, qui sont des équipes, des agents, mais aussi, aussi des équipes de sabots. Aussi, euh, on s'occupe des désencombrements. Mais aussi, il n'y a pas que a pas que ces équipes, euh, on, est, on est là depuis 2017, 2017 mais on vient vraiment de, démarrer. Vraiment. On avait une commune qui était la Médina, et là on est présent dans, euh, dans Colobon, Gueltapé et Padoua, quatre communes, et bientôt euh, notre souhait est d'avoir tout Dakar. Ça permettra de créer des milliers d'emplois, euh, parce que le système en Europe, les ordinateurs, les gens ils, paient par carte. Et ici, on n'a pas un système de carte. On est obligé, devant chaque deux ordinateurs, de mettre un agent dans la création de ces emplois. Mais ces agents, ils ne sont pas juste là pour, euh, pour, euh, pour badger et récupérer l'argent des clients, mais c'est aussi pour embellir les villes, pour la propreté, pour, euh, pour réorganiser tout le système, de tout ce qui est stationnement. Et euh, Parkeon est une boîte euh, une boîte euh, qui est connue mondialement. Et c'est important que notre premier projet en Afrique, euh, qu'on le démarre au Sénégal. moi, je, remercie déjà mes, équipes qui sont des agents de terrain, qui sont donnés toute cette année à travailler dur. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de patrons qui arrivent et qui vont essayer de syndiquer ces équipes. Pour moi, c'était important de dire qu'ils soient syndiqués. Ils vont vous dire, euh, peut-être tout n'est pas parfait, mais on essaye euh, de mettre plein de choses en place. C'est des gens qui, travaillent dur. Aujourd'hui, on s'occupe du stationnement euh, à Dakar. On est filiale d'une société qui s'appelle Parkeon Flowbird. On est dans 4800 villes dans le monde dont on vient de s'installer à Dakar. Donc c'est important pour moi d'être à la fois patron et à la fois de m'occuper de ces travailleurs et de dire qu'ils ont des droits. Et ces droits, pour moi, c'est fondamental. Euh, euh, c'est des gens qui sont assez courageux, qui, qui s'occupent du stationnement, du désencombrement, tous les métiers de la rue. Et avec l'appel du chef d'État, nous, on avait démarré avant. Et c'était important pour moi que tous ces gens soient syndiqués. Ah, mais lu bees la su ñun parce que société vous bees la donc am na une ñu fi jot des choses déwén incha dina gën am beneen changement boo xam dina mais seulement dama bëgg a rappeler ne rek tey suñu teewaay fii pour màggal premier mais bi parce que liggéeykat yi la ñu wax donc suñu droit la ñu taxaw di ko màggal après di si boole wax ne liggéey bi si bu bees bi mu ñu gëm la boo xam ni société future la. parce que non seulement lu tuuti la Sénégal parce que suñu bët ëpp na Sénégal bi parce que dañ ko bëgg génnee ba dem sous région yi interna internationaliser ko donc suñu rôle surtout mooy que dysfonctionnement yi am si biir dëkk bi ak désordre bi ñu fexe ba organiser ko telle sorte que taxawaay bi na rafet ñëpp ne si kontaan déjà population commence commencé nañu adhéré depuis que ba ñu fi ñëwee ba léegi gis nañ ñuy liggéeyee pour que su dëkk bi yaatu oto taxaw normal donc lu mooy wax moy tay journée bi dañ ci kontaan kontaan nañ si trop parce que si nii première participation la donc ñoo ngi xalat déwén incha suñu fi yalla baye jamm bon ñu am yeneen changement yo xam dañ ko apporter écoutez c'est important pour nous euh, c'est les valeurs de la boîte on a mis en place un fonds de solidarité où aujourd'hui après euh, cette manifestation du 1er mai on sera tous euh, dans nos nouveaux locaux pour fêter ça mais pour créer aussi pour créer aussi cette association qui permettra aux employés s'ils ont un problème de puiser directement dans le fonds de solidarité je pense que la problématique aujourd'hui ce que je vois, et moi je suis assez fier de mes équipes, et je les soutiens. Et c'est important pour moi d'être là en tant que patron. Et euh, vous savez, euh, on parle beaucoup d'emplois des jeunes. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de politiques se trompent de combat. Euh, beaucoup de jeunes, ce n'est pas que des fous furieux, c'est des gens qui ont envie, envie de, travailler. vous savez, moi, ils auront toujours mon soutien. Ils le savent, euh, ces gens. Et si je suis là, c'est aussi les encourager pour leur dire que c'est important d'avoir un, boulot de nos jours, ok, de prendre soin de leur boulot. Et, c'est important aussi de connaître ses droits. Ces droits, c'est très important pour moi. J'ai été un spécialiste de l'emploi et des quartiers pendant 10 ans. Et si je suis là, c'est pour réorganiser tout ce système avec une multinationale. Et c'est pour cela que je ne vais pas m'arrêter. Donc, l'Union gère le stationnement payant en Italie. Donc, auto la première fois à faire, dañuy ñëw wax ak yow ndax da ngay ñëw pour garer pour def ay achat et tout nga stationné donc soo stationné dañ lay may 5 minutes 5 minutes yu su passé après nga dagg ticket soit da ngay dagg ticket bu 30 minutes pour 300 wala une heure de temps pour 500 donc problème yi su gën a compliqué après dañuy ñëw wax ak yow su fekkee nangoo dagg ticket dañuy obligé woo équipe sabo donc dañuy obligé soit ñu sabo la nga fay une demande de 6 000 francs donc le bi xaw na metti torop ci côté parce que problème bu nekk lañ fay euh, confronter dañuy daj ay problème yu bëri ay difficulté difficultés, ngay gis ku ñëw énervé soit dans les sages, ou dans les doo xam daal donc yow devons ko comprendre yow devons ko faire donc nous, dañ fi juste pour sensibiliser pour pour ne carrément ni liggéey bi au sérieux Nous fi juste pour la population pour réglementer aussi situation la circulation et tout objectif donc aussi pour c'est juste ça. Je le demande de, continuer que c'est important aujourd'hui euh, euh, il n'y a pas de saut métier que n'est pas parce qu'on travaille dans la rue qu'on est confronté à toutes les problématiques du jour qu'il faut baisser les bras euh, moi la preuve j'étais un éducateur J'étais un spécialiste, j'ai travaillé dans la rue, j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis directeur général en tant qu'autodidacte. Donc, pour vous dire que c'est possible, ok C'est le message que je veux leur faire passer pour dire qu'aujourd'hui vous êtes là, demain vous pouvez être chef d'entreprise. Et pour ça, il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de courage et du travail. Ils en ont et il faut, il faut, il faut. Vous savez, on est au XXIe siècle. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui n'a pas envie d'avoir une situation de famille, qui n'a pas envie de, que sa situation change, d'avoir un appartement, d'avoir des voitures. D'ailleurs, ils vont vous dire, j'ai dealé avec une banque que quand ils ont besoin de prêt, pour l'avoir. Euh, euh, quand ils vont, acheter un logement, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, mais qu'ils puissent avoir accès au crédit. C'est important tout ça pour moi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je demande d'être euh, courageux et de continuer. Ah, pour l'instant, il y a qui Donc, comme société baisse, Donc, pour l'instant, nous nous plan réforme yi ñuy mun a kaas yoo xam ne ab mun nañ ko jàllale te xam naa dinañ ko jàllale ñoom parce que gëm nañ ko parce que avancement yi ñu jot a wan depuis que bu ñu fi ñëwee ba léegi surtout suñu suñu directeur bees bi donc am na ay changement donc instant yi am na yu ñuy yoo xam ne ay manquement la ak yoo xam ne ay jafe yoo xam ne ñun war nañ ko mën a régler mais comme que lu bees la donc dañ siy jàpp mu dëgër ba après ñu gën a waxtaan te xam naa ni gëm naa ne ñun suñu waxtaanee ñoom dina dina mën a jàll. Bonjour, je vais, vous, je vais faire une, je faire une présentation de la machine. Il s'appelle un orodateur. Donc ce sont les, ce sont les mêmes technologies qu'on a actuellement en Europe. Ce sont des machines qui coûtent 5000 euros. Et c'est équipé euh, euh, d'une énergie solaire. Donc euh, ça nous permet de faire nos transactions. Donc sans, tarder, je vais, je vais vous montrer comment elle fonctionne, cette machine. Donc vous venez vous appuyer sur n'importe quelle touche, elle s'allume il euh, y a le logo Smart Africa. Donc là, vous avez, euh, vous avez le menu qui, s'affiche avec six univers différents. Il y a l'univers 1 qui est le parking pour le stationnement des véhicules particuliers. Il y a l'univers 2 qui est le taxi, fait euh, uniquement pour les taxis. Il y a l'univers 3 qui est pour les minibus et l'univers 4 pour les bus. Il y a aussi la fourrière pour l'univers 6. Il y a aussi euh, l'amende. L'amende, c'est quand on met un véhicule en fourrière, à la fourrière. Donc pour récupérer la manne il lui faut payer 54 000. Donc cet argent, on le met directement sur la machine pour permettre une meilleure traçabilité. Donc je vais vous montrer comment fonctionne euh, l'univers 1. Vous venez, vous, attaquez le numéro 1, c'est le parking. Vous saisissez le, le, de matriculation donc vous mettez DK 98 87 I par exemple. Et vous validez. Sur la touche valider Et euh, le menu s'affiche. Il vous demande si vous voulez un stationnement de 300 francs pour 30 minutes ou une heure de temps pour 500 francs. Donc si vous voulez pour 500 francs, vous appuyez sur le bouton plus. Vous allez vous avez vu, il vous met le somme maximale, la somme maximale. Donc si vous voulez un stationnement d'une de, heure de temps de 500 francs, vous validez valider et il vous demande de présenter la carte. C'est la carte Smart One. Donc vous le mettez au niveau du lecteur. Il vous demande de patienter. Donc c'est payé pour un montant de 500 francs. Donc il vous, vous dit impression en cours. Donc vous allez attendre euh, l'impression. Donc il vous a dit de prendre votre ticket. Le ticket de stationnement est là. Il vous montre le récent euh, sur votre carte, la somme qui reste. Et donc la transaction a été bouclée, il vous met fin de transaction. Donc ce ticket, ce ticket, ce ticket vous le mettez au niveau de votre pare-brise. Euh, c'est ce qui permet à, c'est ce qui permet aux contrôleurs, ceux qui ont les sabots, s'ils viennent, ils voient ça euh, au niveau de votre pare-brise, ils sauront que vous êtes en règle, mais s'ils ne voient pas euh, le ticket, ils vous mettent un sabot. Et vous allez payer une amende de 6 000 francs. Si l'équipe sabot vient, et que euh, euh, votre ticket a dépassé l'heure, on vous met un sabot. Par exemple, si, vous venez, vous ne trouvez pas l'équipe sabot sur place, il y a des agents qui sont souvent sur place. Ils vous demandent d'acheter un autre ticket pour, pour éviter euh, de payer l'amende. Donc, mais les gens ont, déjà compris. Donc, parfois, ils, vous disent, je vais faire, je vais faire 30 minutes, mais j'achète un ticket d'une heure de temps pour, ne pas, pour ne pas dépasser l'heure. Okay.